Alhamdulillah, salatu salam ala rasoulillah. Une autre question qui vient de me parvenir, à savoir le sort de Bush, père qui vient de nous quitter, qui vient de quitter le monde injuste, alors pour aller dans euh, l'au-delà, ce monde juste. Et vendredi passé, alors dans tous les médias du monde, on a annoncé le décès de Bush, celui-là qui a déclenché la guerre contre l'Irak. Alors, des cérémonies d'adieu. Et son fils, même Bush, fils, en lisant euh, alors son discours, a laissé ses larmes c'est-à-dire couler. Il a pleuré sur son père. Alors, euh, il n'était pas le seul parce que ce jour-là, quatre ex-présidents des États-Unis ont participé au funérailles de Bush. Alors, le côté qu'on a, nous a, on a oublié de citer, parce que si les médias leur appartiennent, le côté sombre qu'on a oublié de citer, c'est la destruction totale de l'Irak. L'Irak qui était un jour, un jour sunnite est devenu aujourd'hui un pays chiite l'Irak qui était un jour stable s'est déstabilisé. L'Irak qui était un jour uni s'est vu divisé en trois blocs. Le bloc kurde, qui ne dit pas son nom, qui prétend être toujours dans les jurons du Grand Irak, alors qu'effectivement, ils ont leur monnaie, ils ont leur drapeau, ils ont leur coopération avec l'extérieur, ils extraient leur pétrole comme il se doit. C'est la Turquie seule qui freine un peu l'avancée rapide de euh, l'autonomisation ou de l'indépendance du euh, Kurdistan irakien. Il y a l'Irak euh, sunnite et la plupart qui restent maintenant, Basra et autres, est chiite. Voilà. Donc un pays qui était un jour estimé, l'armée de ce pays a été estimée la quatrième force au monde, s'est vu aujourd'hui carrément détruite. Alors, George Bush père, je me rappelle que lorsqu'il a pris la décision, il y a eu beaucoup, beaucoup de manifestations de par le monde, même dans son propre pays, pour le dissuader, pour euh, effectivement des, manifestations qui étaient contre, euh, contre euh, la guerre, partout dans le monde. Alors, il avait menti que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive alors qu'il sait effectivement que lui-même, sa force-là, est due à ces armes massives-là que les États-Unis possèdent. Mais il ne veut pas que notre pays possède ces armes-là. Mais c'était un mensonge. Alors, l'histoire et les enquêtes ont révélé après la destruction de l'Irak, effectivement, que c'était vraiment purement un mensonge. Donc, quelqu'un qui ment sur un pays pour le détruire totalement, pour changer karma les donnes, alors où est son sort C'est la question maintenant qu'on se pose. Les Américains, beaucoup d'Américains ne savent pas effectivement où il ira. Parce que beaucoup même ne croient même pas à l'au-delà. Beaucoup pensent que la justice se termine ici. Ah non, il ne faut, pas se, se leurrer, il ne faut pas se flatter. Si la justice se termine ici, il n'y aura pas de sens à la vie. Des bourreaux, des, hommes forts qui commettent des désastres sur la terre et qui partent comme ça innocents, qui ne, ne sont même pas inquiétés. Parce qu'ils sont forts dans ce monde-là, il n'y a pas cet instant judiciaire qui peut les, condamner. Donc ils quittent avec les honneurs comme ça de ce bas monde-là, c'est à dire qu'il y a une autre justice qui les attend. C'est comme Nicolas Sarkozy qui a détruit mm-hmm. la Libye et, qui n'est pas inquiété. Voilà, donc ces gens-là, où iront-ils après la mort Alors j'ai vu George Bush, fils, pleurer lors de la lecture du rêve funèbre sur le père. Alors qu'il sait effectivement qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, veuves qui continuent de pleurer leur mort en Irak. Beaucoup d'orphelins qui continuent de pleurer leur, leur, père en Irak. Beaucoup de larmes sont continuées d'être versées. Continuent d'être versées. Alors lui, il pleure une seule personne. Alors que lui aussi, il a mené la même campagne de destruction contre le pays. Voilà donc où ira cet homme-là. Alors je pense que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran, la sagesse humaine, l'intelligence humaine veut qu'en tout cas, que tout coupable soit puni. tous ceux qui font le mal soient punis. Et en islam, si on est puni ici, en appliquant la charia sur la personne, l'application de la charia purifie la personne. Alors elle le rend maintenant, c'est-à-dire, euh, euh, euh, elle peut le sauver maintenant contre la sanction divine le jour de la résurrection. Mais si la personne a été forte sur cette terre-là, et a échappé à la justice des hommes, alors on sait effectivement dans tous les trois livres, l'Ancien Testament, l'Ancien, le Nouveau Testament, comme le Coran, alors que la sanction maintenant est divine. Car c'est Dieu qui est le plus fort, c'est sa sanction qui est la plus forte, c'est sa, euh, juridiction qui est euh, la, la, vérité. Voilà donc la balance la plus juste est réservé pour l'au-delà. Ça, c'est un verset de la sourate Al-Anbiya. Alors, donc, c'est le sort là qui attend George Bush père euh, dans l'au-delà. Alors, l'attend maintenant. Chaque âme qu'il a tuée ici, en utilisant le mensonge contre l'Irak, alors il aura à rendre compte devant le Seigneur de sa âme là. Car, même s'il a été fort, s'il a été fort ici dans ce bas monde, il a échappé à la justice de la FMI. La FMI qui n'est que la justice des pauvres, alors il ne peut pas échapper à la justice divine. Donc je ne vais pas répondre à la question où ira-t-il après la mort. Ça vous maintenant d'imaginer où ira George Bush, père, qui est décédé le, euh, le vendredi passé à l'âge de 94 ans. Alors, lui a laissé le temps alors, de savourer alors, bien bienfaits de ce bas monde-là, de vivre son paradis terrestre, car il n'a pas d'autre paradis voilà, tuer des millions de d'âmes, mentir et tuer comme ça. Et je déplore une chose, le fait que l'Église ait accepté cette personne-là. L'Église même qui a condamné la guerre qu'il a déclenchée contre, contre l'Irak. C'est cette Église-là qui accepte prier alors, pour le repos de l'âme de cet homme-là. Alors je demande où sont, qui sont ces prêtres, qui, qui sont ces évangélistes, qui sont ces gens-là qui ont accepté prier sur un criminel, alors qu'ils savent que dans leur livre, Jésus-Christ dans le livre de Moïse, alors il est voué à, au châtiment éternel. Donc, je ne vais pas le dire. Je vous laisse maintenant imaginer où doit se trouver actuellement George Bush, père. Alors, ceci est une, celle-ci est une leçon pour Nicolas Sarkozy, alors pour aussi les criminels qui vont échapper à la justice humaine, quand ils sont forts dans ce bas monde-là. Personne ne peut les arrêter, alors qu'ils se répandent rapidement, car il y a une justice euh, divine qui les attend après la mort. Alors sur ce, alors je prie tout le monde alors d'être pacifique. Alors d'être pacifique. Alors euh, de ne pas se laisser entraîner par euh, la gourmandise de ce monde-là. et surtout euh, par les, les choses, les, les, C'est eux plus précisément qui poussent les gens à s'aventurer la sorte pour mieux piller les ressources naturelles des, pays, des pays eh, affaiblis après les, après les guerres. Donc, euh, sachez effectivement qu'il y a une force divine plus forte que les multinationales, plus forte que les instances internationales, plus forte que toutes les armées de la Terre. C'est cette euh, force-là qui attend George Bush père et qui attend George Bush fils aussi s'il ne se répand pas, et qui attend aussi Nicolas Sarkozy qui a détruit eh, la Libye. Et tous les coalisés qui l'ont aidé à détruire la Libye et autres. Alors puisse Allah nous guider sur le droit chemin. Alors euh, donc euh, ça c'est un cri de cœur parce que je ne dis pas que je suis soulagé avec la mort de George Bush. Non, non, non. J'aurais souhaité qu'il se répande ici-bas pour ne pas encourir le grand risque du jour de la résurrection. Mais malheureusement, il n'écoute pas les musulmans, il n'écoute pas la vérité, il a toujours suivi ses pensions comme ça, et, jusqu'à, euh, ça dit, disparaître et quitter ce monde-là. allah fikum jami'an. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته